le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse d'Issidio Kalangou qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité nigérienne. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi avec des nouvelles attaques à Mangaise, à Yoru et dans des villages de Yagourou et de de Gotei À Niamey, nous parlerons de l'Assemblée générale des ressortissants du DIFA qui s'est focalisée sur la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région du lac Tchad. L'actualité, c'est aussi la manifestation des scolaires nigériens samedi pour soutenir les forces de défense et de sécurité et demander le départ des forces étrangères du Niger. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi. Une personne tuée et deux personnes enlevées le 23 mai dans la commune rurale de Mangaise, département de Walam, rapporte le maire de la commune de Tondikiwindi. Bangaré, commune rurale de Diagourou, non loin de la frontière euh, burkinabé, des hommes armés non identifiés ont braqué une station-service. Dans le département de Saï, une vingtaine d'hommes armés auraient été aperçus la semaine dernière dans le parc du W du Niger, précisément vers la frontière béninoise. C'est ce que nous apprend le préfet de Saï, Mustafa Maman, joint au téléphone par Nafissa Adamou Sirfou. les que nous avons eu une vingtaine d'individus qui ont été aperçus à moto dans un village béninois à 20 km de la frontière avec euh, la partie du parc du, W du Niger. En tout cas, les populations qui les ont vus n'ont pas été inquiétées par leur euh, présence, même si elles disent par ailleurs qu'elles sont armées. Mais toujours est-il qu'il euh, y a souvent les populations confondent des hommes armés et des orpailleurs qui sont à la recherche des filets orifères parce qu'ils ont souvent des appareils. quand ils les ont en bandoulière sur moto, ils ressemblent un peu à des armes. De loin, on les confond à des gens qui sont armés. Mais ce qui est sûr et certain que nous, nous avons déjà pris nos dispositions et que je vous rassure que les populations de ça et leurs biens, en tout cas en ce qui concerne le territoire de Niger, sont euh, pour le moment sécurisés. L'État a tout mis à notre disposition pour sécuriser notre territoire. Il n'y a pas vraiment de psychose. Nous maîtrisons notre terrain. Hassan Boukar, votre commentaire après avoir écouté le préfet du Saï Bon, le préfet du Saï, mais aussi les autres informations <clears throat> que vous avez données justement sur la dégradation de la situation sécuritaire à Tilaberi. Moi, ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé à Difa, hein. c'est-à-dire euh, euh, là, au pire moment de, de cette crise, c'est que vous avez des places fortes où vous pouvez trouver des forces de défense et de sécurité stationnées comme Difang Mais ailleurs, les, terroristes, ça donne à ce qu'ils veulent, l'attaque des villages, euh, sur les routes, ils peuvent piller des, des, pauvres citoyens qu'ils retrouvent, euh, ils s'attaquent à des véhicules de transport et tout ça, donc ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est un peu à ça qu'on assiste aujourd'hui dans cette zone de Tilabéry. Et ici, la difficulté, c'est que non seulement ça se passe le long de la frontière avec le Mali, ça s'est prolongé aux frontières avec le Burkina et maintenant c'est le, le Bénin. Donc euh, ça devient extrêmement difficile pour le mouvement des personnes. Je pense qu'à la longue, c'est une psychose qui va, qui va s'installer. C'est le fait que à chaque instant, on peut être attaqué, on peut être victime de ces, de ces troupes terroristes. Donc c'est ça malheureusement qui, qui arrive. Et c'est extrêmement difficile puisque vous n'avez pas affaire à un seul groupe. C'est plusieurs groupes qui opèrent. Et apparemment, c'est des euh, des groupes de personnes en moto qui ont la facilité de se déplacer et qui connaissent apparemment le Malgré l'état d'urgence décrété dans la région L'état d'urgence, ça ne veut pas dire euh, un militaire à chaque mètre carré ou à chaque kilomètre carré. Hein. C'est des plans d'intervention que se fixent les FDS euh, avec des patrouilles <clears throat> qu'elles organisent dans la région de temps à autre parce que ces personnes-là sont parfois issues du tiroirs c'est des gens aussi bien informés, et même du passage des FDS. Hein. donc, euh, c'est des gens qui contrôlent bien le mouvement des FDS le plus souvent et qui opèrent euh, entre deux passages de ces, FDS-là. Donc, euh, c'est pour ça que lorsque vous avez un territoire aussi vaste, un espace aussi vaste à contrôler, même pour les FDS, c'est extrêmement difficile. Jusqu'à présent, ce que les États ont essayé de faire, c'est de militariser l'espace, sachant bien qu'on ne peut pas réussir avoir un militaire à chaque, à chaque endroit. Bon, donc c'est des choses extrêmement difficiles. Puis vous ne savez pas quand est-ce que... L'ennemi va frapper. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il va frapper, ni quand est-ce qu'il va frapper. Et du coup, j'imagine que les FDS aussi sont dans, un, dans une sorte de psychose euh, extrêmement difficile dans ces, dans cet espaces-là. Parfois, ça donne lieu à des abus aussi. Hein. que vous avez l'impression que l'ennemi est partout, Parfois, il est invisible, mais à chaque moment, il peut faire des enlèvements, euh, s'en prendre à des villageois, s'en prendre aux FDS aussi, qui sont finalement les, cibles. Là, le, l'attaque de Tongo Tongo n'est pas, n'est pas loin. Donc, je pense que c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Et quelquefois, l'état d'urgence, hein, euh, l'état d'urgence, finalement, euh, ces conséquences, parfois, c'est beaucoup plus sur les populations civiles que pour ce groupe. On l'a vu quand même à DIFA. Avec les populations déplacées. Bon, ou parfois vos mouvements sont, limités, il y a des patrouilles à certaines heures de la nuit. Donc, on demande aux populations civiles de ne pas bouger, de rester chez elles, mais ces gens-là euh, ont toujours le terrain à eux et ils opèrent quand ils veulent. Donc, euh, l'état d'urgence, malheureusement, euh, l'expérience de DIFA, mais aussi la récente de Tilabéry, montre que ça n'empêche pas ces gens d'opérer. C'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Issa s'agit-il pour cette semaine d'attaques terroristes ou de grands banditisme Difficile dans ce contexte, Mokhtar, d'identifier eh, qui sont véritablement les auteurs de ces attaques. Parce que c'est pour cela chaque fois nous faisons dans, les, dans le traitement on, fait cas euh, des personnes de, non identifiées, des présumés terroristes ou bien bandits, parce que tellement que la situation euh, est, confuse, hein. confuse et pas du tout contrôlée. parce que c'est que ce que Hassan disait tout à l'heure on ne sait même pas quand ils vont venir on ne sait pas qui ils sont de quel côté pratiquement pas assez d'informations sur la nature de ce, quel type d'acte ils vont poser. Donc c'est pour cela qu'il est difficile de déterminer. Mais néanmoins, à travers certains euh, euh, actes on peut, euh, Voilà, on peut dire que c'est du terrorisme ou bien c'est pas du terrorisme, mais tout compte fait, qui sont dans la zone, qui opèrent dans la zone. C'est ça. On sait qu'aujourd'hui, dans cette partie vers ben Djagourou, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement avec la frontière avec le Burkina. Quand on connaît dans cette zone comme qu'est-ce qui se passe jusqu'au prolongement vers Torodi, c'est la même situation. Là-bas, vraiment, les forces de défense et de sécurité du côté du Burkina ont du mal à maîtriser la situation parce qu'il y a des forces qui opèrent dans la région dont eux-mêmes, jusque-là, ils ne savent pas. Chaque fois même quand il y a des attaques, eux-mêmes, ils ne savent pas qui est réellement à l'origine de l'attaque. C'est pour cela que moi je pense qu'au-delà de, euh, de la réponse militaire, c'est que nos États devront essayer en fait de, miser aussi sur la collaboration des populations. Mais comment intensifier cela, rendre matérialiser ça sur le terrain, c'est qu'il faudrait trouver les outils nécessaires parce que vous savez très bien que dans ces parties euh, de nos pays, l'État était toujours absent. Donc il y a cette frustration communautaire qui est là, qu'il faut essayer d'abord de traiter auprès de ces gens pour que vous puissiez passer. Mais quand même, non seulement l'État n'était pas là, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à une nation qui se préoccupe de ses enfants. Et d'un seul coup, vous faites descendre des militaires dans la zone. Vous voyez que parfois, c'est pas du tout facile euh, cette collaboration avec la population. Ah, bah, ah, bah, sans, vous couper, Issa, Je pense que ce dit est très important. Alors, euh, la question de, la collaboration entre les populations et les FDS, à mon avis, c'est une question extrêmement importante. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que l'idée des gens, c'est de dire euh, on connaît les terroristes, ils font du mal, les populations sont des victimes. Lorsque les FDS arrivent, la population s'aligne automatiquement derrière les FDS. Mais à l'épreuve, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, à mon avis... Mais, euh, lors de l'attaque de Koutoukalé au retour, les terroristes ont quand même euh, endommagé les installations des réseaux, des réseaux téléphoniques. La collaboration ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que là, vous dites, euh, on peut appeler, informer. Non, la collaboration ne se limite pas à ça. Le fait que les populations puissent, par exemple, alerter en disant il y a des individus qu'on voit, des gens qui agissent, dire il y a des, il y a des mouvements suspects qu'on constate, etc. Alors, que le réflexe soit tout de suite de parler au FDS. Cette collaboration, je pense qu'on a encore du mal à l'obtenir. Et ça veut dire que du côté des FDS, il y a un travail à faire y a un travail à faire pour se rapprocher davantage de la communauté. Convaincre la communauté que si les FDS sont là, c'est pour leur quiétude. C'est pour Alors ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui est gagné. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que dès, que les FDS arrivent, la population s'aligne, on ne l'a pas obtenu. C'est ça, Oui, c'est surtout que euh, parfois au Niger, c'est que on a l'habitude de prendre des décisions d'une façon unilatérale. Et même les informations parfois qui arrivent quand il y a des déplacements suspects, ce n'est pas toutes les informations que les gens sont en train de prendre par exemple, comme vous l'avez rappelé, le cas de Tongo Tongo. Ce qui veut dire que si des populations civiles qui sont jusqu'à Niamey savent que 48 heures avant l'attaque, il y a eu la destruction de, de, ces antennes de relais de mhm. télécommunications. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est qu'au niveau même de la prise de décision, les hommes de terrain qui font le renseignement, quand ils amènent, on entend de tamiser et de, raconter ce qui peut sembler attirer, euh, capter l'attention de quelqu'un. C'est-à-dire les gens ne font pas le travail réellement pour ce quoi ils sont payés. Ils sont en train de, dans les caisses noires de tirer de l'argent pour rien du tout. Voyez-vous, la sécurité, c'est pas quand les gens parlent souvent. Moi, c'est ce qui me frustre, quoi. Parfois, quand on dit, il faut arrêter un moment pour voir que il y a des problèmes. Changer de stratégie, les gens ne voient que non, c'est un opposant qui parle... Pourquoi bon sang dans ce pays quand on dit que tu es en train de commettre une erreur Arrête-toi et corrige, mais les gens, d'un seul coup, ils sortent des idées aujourd'hui, jusqu'à aller à la masturbation intellectuelle. Voyez-vous là où on est, ce pays, les choses qui sont en train de, les défis que nous aujourd'hui qui font face, qui handicapent notre développement, ça concerne tous les Nigériens. Et aujourd'hui, le premier défi, c'est sécuritaire. Tant que nous ne sommes pas libres d'aller, je ne suis pas libre aujourd'hui de quitter, jusqu'à venir à Mangaise, tranquillement, aller à Difa, circuler, aller de, de, de même ici à, à Maradi, ce qui veut dire que c'est grave. C'est pour cela aujourd'hui, on devrait, c'est dans une vision globale, ensemble, pour voir comment il faudrait trouver les outils nécessaires pour pouvoir appréhender cela. Rufai Dandoua, pour le ministre de la Défense qui s'est exprimé la semaine dernière sur les médias, l'armée nigérienne est bien équipée et elle fait le combat pratiquement seule. Comment expliquer ces agressions répétées euh, merci, merci Mokhtar. Euh, je pense que déjà le, euh, la visite du ministre de la Défense sur le terrain est, une bonne chose après tout ce qui s'est passé, après tous les bruits qu'il y a eu sur les médias sociaux et dans les FADA. C'est important d'aller sur le terrain, voir les troupes, les, les, les réconforter, leur remonter le moral. C'est très important. Et ce que le ministre dit, c'est il ne peut que dire cela. Pourquoi Parce que avec euh, tout l'argent qui a été augmenté, eh, eh, à n'y pas le contraire dans les, budgets le budget. le qui ont été faits, refaits et des milliards qui ont été investis, il ne peut que dire cela. Maintenant, euh, dire aussi qu'ils qu combattent seuls, c'est normal. Avec qui ils vont combattre, c'est eux qui sont chargés de protéger le pays. Même si la question de la collaboration avec les, citoyens revient dans ce qu'ils disent. Ça sous-entend quelque part qu'il n'y a pas de collaboration avec les citoyens. Or, cela, comme ils l'ont dit, doit être euh, planifié, doit être euh, fait de manière très intelligente je, regarde juste, quand, on regarde par exemple le film là, euh, Commissariat de Tampi sur A, qui passe, vous voyez la police de proximité qu'ils font. Et le commissariat qui appelle les gens du quartier, les jeunes du quartier, pour leur, avec un numéro qui a été, un numéro vert qui a été créé, appelez dès que vous voyez des mouvements suspects. Donc, c'est cela qu'il faut faire, même si encore aujourd'hui au Niger, les gens ont peur, des militaires. Des représailles. Non, on peur des militaires, tout comme les militaires ne donnent pas eh, la, la, non, la, possibilité eh, d'être accessible. Cette confiance, ah oui, cette confiance, elle n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les terroristes ou les bandits armés, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est les bandits qui, qui, font ça ou les terroristes, ont plus, sont plus renseignés que nos militaires qui sont censés l'être, vu les moyens colossaux qu'on investit. Aujourd'hui, <clears throat> l'armée au vous parlez, vous, parlez des de, de, de, renseignements Oui, aujourd'hui, aujourd'hui et eh, l'armée au 21e siècle, ce n'est pas le nombre, la quantité des, des, des, des, hommes que vous allez mettre sur le terrain. Non, la, la nouvelle stratégie aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, vous prenez toutes les grandes nations, c'est les renseignements. Tant que vous n'êtes pas bien renseigné, vous n'allez pas avoir une, une, une, armée forte. Malheureusement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir ou ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Nos militaires ne sont pas eh, informés. En plus du fait qu'ils ne soient pas bien, bien informés, il manque de stratégie de guerre sur le terrain. Pourquoi Parce que dès qu'il y a eh, une attaque, sans, sans prendre des dispositions, on sort, on suit les, terroristes ou les bandits armés. Or, on ne sait pas ce qu'on va eh, rencontrer. Ce qui s'est passé récemment avec cette attaque de, de, de, de Calais qui a était à l'origine de, la mort de, de, la trentaine de militaires au Niger. Maintenant, les conséquences qu'il faut, euh, auxquelles il faut penser, c'est qu'on est en train d'assister à des frontières qui doivent être aujourd'hui sécurisés même pour les citoyens quand vous allez voyager. Et là, ça va être très grave, ça va être pire pour la population parce que pour se déplacer d'un coin à un autre, comme on l'avait connu au temps de la rébellion, il faut qu'on vous mette euh, euh, des, militaires, des, oui, des vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on tend vers ça. Et tant qu'on tend vers ça, ça va être euh, terrible pour, pour déjà le déplacement des gens, pour euh, le commerce dans les localités et pour la situation économique du pays qui n'est pas, euh, loin s'en faut, déjà est, euh, bonne. Tout le monde le sait. Donc je pense que cette situation, il faut qu'on la prenne très au sérieux, ce qui apparemment n'est pas le cas, il faut se le dire. Il faut que ça soit une priorité nationale. Issa vous avez quelque chose à dire Oui, je voudrais ajouter que c'est comme si c'est un deuxième front qui vient d'être ouvert au Niger, dans dans la lutte contre le terrorisme. C'est très dur, c'est très lourd pour notre pays, financièrement et en termes de matériel et d'hommes. Parce que ça va nécessiter des moyens colossaux. Et quand on sait que ce n'est pas du tout euh, de manière orthodoxe une bonne gouvernance, vraiment basée sur les règles d'art que se font les, les, euh, fonds alloués à la défense, que ça se fait c'est ça va être difficile. Et aujourd'hui, nous les, sommes gens vont parler de secret défense bon, c'est parce qu'on est en Afrique, ça, en Afrique, ça, si les fonds, la bonne gouvernance, même en défense, on est obligé. Aujourd'hui, si ce n'est pas que notre démocratie est une. Ce n'est pas seulement au Niger, en Afrique, je parle du continent africain, ce sont des démocraties de façade. Moi, en tant que citoyen, je peux interpeller au niveau du Parlement, notre ministre de la Défense, pour qu'il nous explique les fonds qui sont, parce que c'est notre, notre argent. L'argent, ça ne fait pas partie du, secret défense. Ce n'est pas l'argent. Ça passe parce que tout le monde est, est censé... Puisque, c'est à la place publique. c'est à la place publique. Il y a des des comment s'appelle euh, des séminaires que des ateliers que Alternative fait c'est Abba qui les fait presque chaque fois mm-hmm. pour euh, montrer aux gens où passe euh, où doit passer normalement l'argent voté par l'Assemblée nationale donc ce n'est pas un secret de défense le secret de défense c'est lorsqu'on parle de stratégie lorsqu'on parle d'autres choses beaucoup plus complexes pour le soutien lambda de de quoi oui oui donc non en fait c'est pour pour finir c'est ce que j'ai dit nous sommes à l'aube des, séances électorales de 2020-2021. Voyez-vous comment la situation est en train de se détériorer sans que les gens ne puissent prendre les, euh, mesures idoines pour un peu... Euh, déjà, DIFA, aujourd'hui, on sait que la situation, malgré ce qu'on a dit, il n'y avait pas eu d'amélioration. Même avant-hier, il y a eu des enlèvements, 11 personnes dans la commune de Toumour. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on pense et qu'on mette vraiment les gens ce qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement que c'est une question sécuritaire, qu'il faut seulement des militaires. Des civils peuvent contribuer. En menant des, centres d'études stratégiques sont là, les gens, les personnes se sont là. On a vu aujourd'hui de la manière dont shérif, Si depuis son arrivée à la défense au Burkina, comment il est en train de gérer. Tout ce qu'il y a comme euh, des de, personnes ressources sont aujourd'hui appelées pour amener leur contribution pour lutter contre euh, ce phénomène de terrorisme, parce que c'est une question nationale qui nécessite la mobilisation nationale. voudrais <coughs> bien que Abba nous explique quelque chose, puisque la, région de Difa, a l'habitude d'aller. Est-ce que l'état d'urgence ne fait pas <coughs> plus le lit aux, terroristes parce qu'ils semblent maîtriser plus le terrain que, que, nos forces de défense et de sécurité. Lorsqu'on lorsqu'on dit à la population restez à la maison, ça veut que la ville est, calme, elle est, plate. Euh, il n'y a que ceux qui comprennent le terrain qui peuvent mieux s'en sortir. Or, on se rend compte que les touristes connaissent mieux le terrain que les, la Ah bah rapidement, en une minute. Oui, en fait, là, comme, comme euh, a dit, en fait, euh, j'ai écouté aussi, comme tout le monde, ceux qui habitent encore dans la région, comment, comment les gens expliquent. normalement, si on dit qu'il y a état d'urgence à partir de 22h, personne ne sort de chez lui, toute personne qu'on rencontre dans la rue pouvait être assimilée à un ennemi ce que les gens disent, nous on reste chez nous, mais les FDS aussi ne sont pas dans la rue. Bon, c'est-à-dire que finalement, le terrain est libre euh, pour, pour, ces personnes-là. Donc, euh, parce que l'idée pour les gens, OK, euh, nous on reste chez nous, c'est pour mieux permettre aux FDS d'opérer. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on constate et donc ça pose un débat aussi. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa au centre d'une rencontre d'échange dimanche à l'Académie des arts martiaux du Niamey entre les ressortissants de la dite région résidant à Niamey. À l'issue des discussions, le projet de déclaration n'a pas obtenu l'approbation des participants. Le comité d'organisation a pris l'engagement de retirer le projet le temps d'insérer d'autres contributions des participants. Toutefois, le comité d'organisation de la rencontre a cependant tenu à lire certaines recommandations formulées par son équipe de réflexion. Hassan Boukar, quels sont les points du blocage non, je pense que euh, si vous réunissez tous les ressortissants pour essayer de discuter sur un projet qui a été travaillé par un groupe, évidemment, il faut qu'il y ait un consensus sur, cette question-là. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions sur euh, euh, la volonté de certaines personnes déplacées de retourner vers leur village et tout ça. Pour certains, ça fait déjà au moins 3, 4 ans. Je pense que c'est des situations difficiles. Euh, le gouvernement, lui, à un moment, a voulu même déplacer plus loin certaines populations, puisqu'il y avait des soupçons euh, qu'au sein des personnes déplacées, on trouverait des personnes qui informent les groupes terroristes du passage des FDS et tout ça, qui les gens de Boko Haram se cacheraient euh, dans ces camps, etc. etc. Il y avait donc beaucoup d'informations difficiles à délier. Et donc, euh, il y a cette volonté de les déplacer plus loin. Euh, puis, pour les populations elles-mêmes, certains veulent retourner dans, dans, dans leur village, s'installer. Je pense que c'est des questions essentielles. Il y a aussi la question des humanitaires. Hein. Difa est peut-être la région du Niger où il y a le plus d'humanitaires au kilomètre carré. Et du coup, il y a un débat aujourd'hui sur euh, finalement, tout cet argent qui est brassé on a des populations victimes, euh, euh, peut-être que cet argent, les gens auraient bien voulu voir davantage, plus clair sur la gestion, sur les retombées réelles, mais aussi, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui s'est fait juste pour distribuer des vivres, répondre à des besoins ponctuels, sans que ça n'ait aucune capacité de résilience des populations, même dans une période, euh, dans un terrain de, conflit. Bon, voilà, il y a un certain nombre de, de discussions de ce type. Et puis, euh, je pense que dans le texte, euh, les gens voulaient voir euh, intégrer d'autres dimensions, tel le rôle de la société civile locale qui joue quand même un rôle important, qui s'est distinguée avec des journées villes mortes et tout ça, qui relève véritablement les attentes des communautés sur le terrain. Voilà, je pense qu'il y a des discussions comme ça qui continuent. Et je pense qu'avant même cette rencontre, il y avait des discussions qui se faisaient pour savoir quel type de réaction qu'il faut, qu'il faut avoir c'est peut-être bien pour moi. Hein. C'est, euh, ça relance un processus qui existait depuis plus de deux ans, je crois. Il y avait eu en d'autres périodes aussi des rencontres des ressortissants des DIFA, des discussions aux premières heures de l'attaque des Boko Haram dans les villages et dans les régions pour dire quelle doit être euh, la réaction de la population, comment devons-nous nous positionner, etc. Il y avait des discussions de ce type. Alors, puis il y a eu tout cet amour, puisque apparemment euh, l'idée du gouvernement, c'est de dire, euh, c'est des gens qu'on doit affronter, il faut qu'on se donne les moyens de les affronter. Alors qu'à l'époque, euh, au début, les gens se demandaient déjà est-ce qu'il fallait discuter, est-ce qu'il fallait négocier, est-ce qu'il fallait définir une stratégie qui ne soit pas uniquement militaire face à ces personnes qui connaissent bien le terrain, qui font déjà des attaques et tout ça. Bon, à l'époque, ça n'a pas beaucoup évolué. Et donc aujourd'hui, peut-être c'est une relance de, cette, euh, de cette initiative. Euh, j'espère que ça va, ça va aboutir, ça va donner. Mais euh, moi, personnellement, j'ai fait le constat que dès le début des attaques de Boko Haram, la position du gouvernement était d'imposer le silence, c'est-à-dire Rappelez-vous de, l'interpellation du secrétaire général de l'Alternative Espace Citoyen qui avait à l'époque euh, dit euh, lorsqu'on déplace les populations à Moussa Changari, oui, lorsque les populations des îles du lac Tchad sont déplacées, elles doivent être mieux accueillies. Je pense qu'à l'époque, ce qu'Alternative a dit, ce n'était pas plus que ça. Mais à l'époque, la façon dont le gouvernement l'avait assimilé d'ailleurs à des personnes terroristes, tous les traitements dont, il a fait l'objet, montre que la volonté du gouvernement, c'est de taper fort pour empêcher toute réaction qui soit contraire à la démarche que lui avait choisie. Et donc, j'ai eu comme l'impression que cette démarche a eu son effet, puisque pendant longtemps, tout le monde s'était chacun attend de voir l'armée aller écraser Boko Haram sur le terrain. Alors aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas, que les dégâts sont beaucoup plus importants à un moment où le gouvernement annonce la fin théorique de Boko Haram, on voit qu'ils ont la capacité de se réorganiser et de faire de nouveau des attaques. Je pense que c'est un moment où le gouvernement doute aussi, ne le dit pas mais ça montre carrément que sa stratégie est presque à bout de souffle, puisque toutes les annonces sur la fin technique, etc., euh, ça ne donne pas de résultats. Et donc, du coup, les gens pensent qu'il y a peut-être un, un, moment pour parler au gouvernement. Peut-être qu'en ce moment, il peut mieux écouter les populations qu'avant. Rufai Ndoua, cette semaine encore, on parle d'enlèvement de personnes dans la région du Difa. Avez-vous entendu des propositions issues de la réunion de Niamey pour une euh, solution rapide au rapt des personnes <clears throat> Sincèrement, moi j'aimerais revenir déjà sur la, réunion, la rencontre des ressortissants du, manga. Euh, pour être honnête, moi c'est des choses auquel je ne crois vraiment pas, surtout dans un pays comme le Niger où on n'écoute pas euh, ce genre de propositions, où aussi la population est très divisée. Même en son sein, aujourd'hui, je n'ai pas été. Faites allusion à la politique. Justement, je n'ai pas été lors de la rencontre, mais je suis sûr que quelque part, il y a cette question politique qui, qui a prévalu et qui a empêché qu'on ait des de voix unanimes pour, pour avoir une déclaration parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où jamais le Niger n'a connu une telle division euh, du fait de la politique. Moi, je ne me rappelle pas, même autant euh, CDS, MNSD, avec l'avènement de la démocratie, on n'avait pas connu euh, plus grave que ce qu'on est en train de, de connaître. Peut-être on me dira que c'est dû au fait euh, qu'il y ait l'avènement des réseaux sociaux, Peut-être oui, je pense que y a trop, les gens ne sont pas aujourd'hui tolérants. Il y a trop d'intolérance dans, dans ce pays qui fait que sûrement ça a prévalu aussi lors, lors de, de leur réunion. Au-delà de ça aussi, je ne pense pas que le gouvernement a bladi. Et quand on avait arrêté Moussa à l'époque, c'était pour faire les gens c'était déjà une, une, une, première mesure pour vous dire que même si vous parlez, on ne vous écoutera pas. Les, les incessantes marches à DIFA, ça n'a rien, ça n'a pas produit d'effet. Donc, moi, je pense que le fait de réunir des gens d'une localité, même pas sur le, sur sur plan euh, sécuritaire, sur autre chose, moi, je ne suis pas adepte de, de, de ce genre de situation. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut trouver des solutions. Mieux encore, lorsque, lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, je ne pense pas que eh, des citoyens lambda, civils, de surcroît, peuvent donner des, propositions à un gouvernement qui a normalement, je dis bien normalement, eh, une stratégie pour euh, combattre euh, des milices ou des sectes comme Boko Haram ou des bandits armés qui, qui opèrent dans, dans ce genre de de, région. Et bien entendu, Abel dit, et même avec les derniers propos du président de la République, on, sent, on comprend, elle n'avait pas besoin de les dire, que euh, le temps a changé. Vous vous rappelez quand il disait lors de la manifestation que le, Niger sera, le tombeau, de Boko Haram. Et, récemment, après l'attaque de, des militaires et après le, Tongo Tongo, il disait, a changé de discours quand il disait, il a bon espoir qu'un jour, c'est un peu en ces termes qu'il a parlé, en faisant allusion même à, l'intervention de Dieu. Vous voyez que les, discours ont changé quand ils ont compris que même. C'est pas une petite affaire. Oui, même un pays comme le Nigeria, un grand Nigeria qui semble avoir l'une des armées les plus et, équipées, les plus performantes de l'Afrique, à souffre chaque fois, chaque fois quand vous, quand, quand vous ouvrez les radios, les télévisions, vous voyez au Nigeria qu'il y a des attaques, qu'il y a des, des raptes, il y en a beaucoup. Donc le Niger, euh, excusez-moi de le dire, un petit Niger, donc ne pas faire face à, à, ce genre d'organisation. Bref, euh, je pense euh, qu'on revient à, la première, au, au, premier sujet. Il faut vraiment que ce soit une grosse, grosse priorité cette question de sécurité, pas seulement à, Adifa, Difa, pas seulement aussi vers, à Il faut que ça soit une sécurité nationale. Parce que vous, voyez, lorsque ce genre de choses arrive, ça peut compromettre la tenue des échéances électorales. Pourquoi je le dis Il suffit qu'il y ait une attaque, une, une, deux, trois attaques dans les grandes, euh, grandes agglomérations, on peut décaler les, les élections. Imaginez aussi qu'on dise, par exemple, qu'il n'y a pas d'élection à Adifa parce qu'il y, a de l'insécurité, qu'il n'y ait pas d'élection à Tilaberi parce qu'il y a l'insécurité, qu'il n'y ait ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une grosse partie de la population nigérienne n'aura pas voté, ce qui ne sera pas bien parce que eh, les citoyens n'auront pas eh, exprimé leur choix, leur désir de choisir qui, ils veulent. Donc, les élections risquent d'être compromises. Donc, je pense que ça doit être une, euh, une euh, préoccupation nationale et où on doit avoir la collaboration de tous les citoyens. Ah, vous voulez ajouter quelque chose Je pense que Rufai a vu juste sur la question politique. Je pense que la région de, de Difa n'échappe pas à ça. C'est-à-dire que même autour d'un enjeu euh, régional, national, euh, qui concerne la question de la sécurité, la sécurité des citoyens, parfois les gens ont du mal à, être, à faire un minimum d'unité pour parler d'une même voix. C'est-à-dire que face à un gouvernement qui a pris une position totalement radicale pour dire moi je vais les affronter sur le plan militaire, faire entendre notre voix serait comme aller contre le gouvernement. Alors toutes les personnes qui pour une raison ou une autre pensent qu'elles sont là pour défendre le gouvernement, une telle petite de position évidemment ça va, ça heurte leur euh, conviction, leur. Et donc du coup finalement on est toujours dans une position de comment adopter une déclaration sans heurter les sensibilités des uns et des autres. Et donc, vous marchez sur des œufs et finalement, c'est extrêmement compliqué. Issa Madougou, tout comme à Tilaberi, à Difa, la sécurité et l'humanité restent préoccupantes. Comment comprendre euh, cela malgré les moyens humains et financiers injectés chaque année pour la paix à Difa Écoutez, docteur, moi je pense que mes deux prédécesseurs l'essentiel de ce qu'il faut comprendre sur cette situation. On a adopté dès le départ euh, un comportement basé sur rien que le discours et avec un optimisme irréaliste. Parce qu'on se dit que non, nous on a les moyens, on a la capacité de le détruire sans pour autant mener des véritables des études pour voir qui on a en face de nous. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi je pense que pour parler, qui pour parler est je vais prendre en contre-pied Rufai, qui pour parfois parler euh, au nom de, la région, ce sont les ressortissants, parce que ceux qui sont restés estiment que, voilà, ce sont ces gens-là qui peuvent servir de pont, qui sont dans les centres urbains, qui peuvent servir de pont entre eux et les autorités. Peut-être que les autorités n'arrivent pas à les, entendre réellement, leurs euh, euh, préoccupations. Mais c'est pour cela qu'il faut ce genre de rencontres. Mais le problème, c'est que vous l'avez dit, c'est la politique la politique est venue vraiment le ce que nous avons, le peu que nous avons d'humanisme et de, de valeurs, la politique est venue tout détruire. Je, vais vous raconter une anecdote. Rapidement. Avant que, avant 2016, je vous assure, il y a des gens que sur quand la situation commençait à se détériorer en 2015, jusqu'à avant même les élections, il y a des acteurs qui, eux-mêmes qui nous sollicitent pour qu'on vienne leur tendre le micro parce qu'ils ont des informations fraîches qu'ils veulent que les gens comprennent ce qui se passe. Mais depuis 2016, aujourd'hui que leurs partis politiques ont changé de tendance, ces gens-là refusent même de, de, présenter, même si on leur tend le micro pour dire au moins présenter vos condoléances aux familles des disparus ou bien euh, témoigner de votre soutien à ces familles dont euh, leurs membres ont été kidnappés. Ces gens la refusent. Voyez-vous où la politique est en train de nous amener Nous sommes en train de partir dans un virage qui n'est pas du tout bon pour notre devenir. rapidement. Oui, Mokhtar, 30 pour, secondes. Oui, pour, pour le genre de rencontre là, je pense que c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée nationale et chaque région a des députés. Normalement, les députés et de la région de façon sont censés être écoutés plus que la population parce que eux représentent la population, parce qu'ils ont des, un mandat du peuple. Ils peuvent être écoutés par le gouvernement et par le président de la République, pourquoi pas. Ils peuvent demander une audience pour aller voir le président, lui soumettre le doléance. Je pense que et donc, faire une déclaration, c'est même aller pas à l'encontre de, la position de l'État, mais à l'encontre même des, députés que vous avez choisis, à qui vous avez donné. les Hassan rapidement, Hassan Boukar. Alors, ben, l'autre chose que moi je peux, je peux dire, hein, c'est la faiblesse de l'opinion publique il faut constater que chez nous, c'est dommage que lorsqu'il y a la guerre à Difa, que ce soit seulement les ressources de Difa qui réagissent. C'est mhm. une question nationale. Aujourd'hui, euh, au-delà des, des, des, habitants de la région de Difa, tout citoyen de ce pays et à même de dire il se passe quelque chose dans mon pays. Et on peut faire le lien aussi, euh, tout de suite, nous rappeler le fait qu'aujourd'hui, on dépense énormément d'argent dans la guerre, etc. C'est de l'argent qui aurait pu servir l'éducation à Tilabiri, on aurait pu l'utiliser pour la santé à Tawa. Et donc, c'est aussi une faiblesse de l'opinion publique qui fait que ce dont les parents souffrent directement, ceux qui se disent, bon, c'est à nous de réagir. soutenir les forces armées nigériennes dans leurs efforts de défense de l'intégrité du territoire national et exiger un retour définitif de la sécurité dans toutes les universités publiques du Niger. C'est l'objet des meetings organisés samedi à Niamey par l'Union des scolaires nigériens. Issa, Issa Madougou, quel est le principal message que vous avez retenu de cette sortie des scolaires nigériens à Niamey et dans d'autres villes à l'intérieur du pays Rapidement. Euh, d'abord, c'est cette manifestation de survie parce que ça nous a rappelé que les l'ISN existait et continue d'exister. D'abord, c'est ça que le premier message que moi j'ai pu lire de la manifestation. Mais deuxièmement, c'est que le fait même d'apporter euh, leur soutien aux forces de défense, de sécurité, trouver pertinent cette revendication de, de, le porter haut pour que les gens puissent comprendre que ces gens-là qui sont en train de nous protéger au péril de leur vie doivent avoir tout notre soutien. C'est vrai, la situation aujourd'hui, c'est c'est des jeunes scolaires parfois qui abandonnent les vents pour aller vraiment défendre le pays, les couleurs nationales. Moi, je pense que c'est tout à fait pertinent. Mais quand même, c'est l'autre revendication, ça a été toujours contre les, forces impérialistes a été toujours euh, au, centre des discours étudiantines et scolaires nigériens. J'aurais bien voulu que cette fois-ci, que, euh, que la réflexion soit plus approfondie, parce que nous ne sommes pas dans le même contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'impérialisme s'est mué dans ce contexte de globalisation où il n'y a plus de frontières. Ce n'est plus comme avant. Les perceptions ont changé. Donc, il faudrait un peu changer le discours pour que ceux qui ne comprennent pas, parce que faut pas dire les forces impérialistes qui sont quoi, quoi, vous parlez. Il y a des gens qui ont aujourd'hui, ils n'ont pas cette euh, capacité euh, de, de, comprendre facilement euh, ce discours-là. Mais quand même, je pense que ce qu'il faut encourager, c'est salutaire ce que l'USN a fait. Mais au-delà de ça, moi, je pense que l'USN devrait continuer encore à sensibiliser les couches euh, euh, populaire pour que les gens puissent vraiment avoir euh, assez d'outils oui, assez pour être éduqué sur euh, un certain nombre de questions qui relèvent de, la préoccupation nationale. Hassan Boukar, cette manifestation des scolaires nigériens, disent-ils, vise entre autres à soutenir l'effort de défense et de sécurité. Elle intervient au lendemain des attaques terroristes de Koutoukale, Mangaïse, Tongo Tongo. Euh, cela explique-t-il la descente des scolaires de l'arène rapidement oui, je pense que moi, j'apprécie très positivement la, réaction de l'USN. Euh, d'abord sur les questions des universités publiques. Je pense que depuis que la crise universitaire a commencé, le Sénat a eu, à mon avis, une position responsable. Elle a attendu de voir les deux acteurs, notamment le et la partie gouvernementale, trouver un terrain d'attente. Puis après, elle a eu des initiatives pour les mettre ensemble autour de la table. On sait ce qu'il en a été et tout ça. Et donc ça montre pour moi euh, une preuve de responsabilité de l'Union des scolaires nigériens. Alors aujourd'hui, comme Madou l'a rappelé, la question de lutte contre l'impérialisme, contre les forces colonialistes, etc. C'est quand même le credo de l'USN. Ça a été un de ses discours de tout temps. Et l'USN, comme vous le dites, euh, alors pose ses débats après les attaques de Tongo Tongo. Je pense que ces attaques posent euh, véritablement un débat. Rappelez-vous que dès lors que les premières critiques contre la présence des bases militaires a, été faite euh, ici, dans notre pays, la position du gouvernement, c'est de dire ces, ces gens sont nos yeux et nos oreilles que sans les bases militaires qui sont installées, on ne peut pas être renseigné, on peut pas avoir, etc. Alors, le gouvernement a toujours défendu la nécessité d'avoir ces bases-là sur le territoire national. Mais toutes les attaques, et en particulier celle de Tongo Tongo, où on a eu pratiquement une trentaine de victimes tout d'un coup, montrent que ces bases militaires sont là pour d'autres agendas pas, pour, protéger les Nigériens, pas pour protéger les Nigériens. Et, la, sortie de l'USN montre clairement, c'est de dire, si réellement aujourd'hui ces gens nous sont utiles, nous sont utiles, personne ne dirait qu'ils s'en aillent. Alors la position de l'USN montre simplement que la position du gouvernement ne tient plus aujourd'hui. L'idée selon laquelle ces gens-là sont pour nous aider au moment où on a besoin d'eux, on ne les a jamais vus. Et donc, ça veut dire que ces gens-là sont là pour d'autres agendas et rien ne justifie que des forces militaires euh, étrangères puissent s'installer sur notre territoire pendant que nous subissons des attaques. Peut-être qu'on viendra un jour à dire nous subissons les attaques justement parce que ces forces-là sont là. Lorsque vous collaborez avec ces forces, que les terroristes considèrent comme leurs ennemis, vous vous êtes assimilé aussi à des ennemis et donc vous payez un coût pour la présence de ces bases militaires sur votre territoire. Et donc le fait que l'USN pose ce débat. Et pour la, partie gouvernementale aujourd'hui, je, pense qu'ils sont sur la défensive. Hein. Euh, cette rencontre entre le président de la République, euh, l'ambassadeur de France, des États-Unis, la visite du ministre de la Défense sur la base euh, française, tout cela montre qu'aujourd'hui, le gouvernement se sent tout d'un coup obligé de communiquer davantage, de trouver d'autres arguments parce que le fait de dire ces gens sont là pour nous aider, personne ne voit ça sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont là, on subit les, les attaques, ils ne sont là ils ne sont jamais là pour nous aider, nous accompagner. Et donc, maintenant, il faut trouver autre argument où eux, ils bougent pour, euh, conforter, le terrain. pour conforter le gouvernement dans sa position que oui, ils sont là, ils sont utiles. Sinon, on continuera à dire que ça n'aille. Euh, mais la position des, Nigériens sur les bases militaires, ce n'est pas nouveau. Hein. Je pense qu'il y a une étude internationale Crisis Group qui date de deux ou trois ans qui montre déjà y compris les FDS, ne voient pas d'un bonnet la présence de ces bases militaires. Donc pour l'instant, c'est le gouvernement qui y tient. Dandoua, quel impact cette sortie a eu chez l'opinion publique euh, d'ici et d'ailleurs euh, euh, on peut dire, comme l'a dit Issa, enfin, enfin l'USN s'est réveillé de, son sommeil et je me demande <clears throat> qui est derrière, qui est derrière ça. Est-ce que c'est la position de l'USN quand on sait aujourd'hui le poids qu'a l'USN à l'heure actuelle au Niger. Je me demande qui est derrière cette, cette sortie. Autre chose, moi je, je pense qu'il faut dissocier les choses. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour nous protéger. Normalement, ils sont là pour assister nos militaires pas pour nous protéger. Les forces étrangères. Oui, les forces étrangères, pas pour nous protéger, pour assister les militaires. Ceux qui doivent nous protéger, ce sont nos militaires, nos, nos forces de défense et de sécurité. C'est bien. On a, je pense qu'on n'a pas besoin de, de la marche de l'USN pour savoir que le peuple nigérien, dans, son, dans sa totalité, soutient les, les, FDS dans sa lutte contre euh, toutes sortes d'ennemis qui viennent euh, dans ce pays. On n'a pas besoin de, de leur discours, surtout que. Euh, peut-être qu'ils ont réagi un, peu, un peu tard. Et autre chose, et quand vous prenez, même moi je pense qu'il faut aussi savoir être courageux et poser les débats. Comme par exemple, c'est toujours les mêmes modes opératoire qu'on voit pour attaquer nos militaires. Il faut aussi se dire que quelque chose au sein de nos FDS, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, on est toujours hypocrite au Niger, on ne pose jamais les vrais débats, on ne dit jamais les choses telles qu'elles sont, on, se cache toujours, on effleure la surface, toujours c'est des faux fiants. Le problème, moi je pense que ce n'est pas seulement les forces étrangères qui sont sur le territoire du, Niger, parce que un peu partout on les voit, en Djibouti, en Corée du Sud, un peu partout dans le monde. Mais c'est comment elles doivent intervenir. Quelles sont les clauses qui ont été signées entre le, gouvernement du Niger et ses forces de défense et, ses forces étrangères pour nous venir en aide au moment où il le faut Moi, je pense que c'est ça qu'on doit savoir, pas juste se lever dire qu'on ne veut pas des forces étrangères parce que ce sont des blancs, parce que le problème c'est toujours ça, on a toujours cette histoire de, blancs qui sont euh, dans nos têtes. Quoi. Je pense qu'on doit se départir voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci à tous les auditeurs du studio Kalangou pour votre fidélité. Rendez-vous samedi dès 17h 15 h 15 avec Momanada pour le forum en Hausa et dimanche avec Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.